Euh, sans transition l'interview tech euh, de la matinale. Aujourd'hui avec euh, Seine Boussen, ingénieure de conception en informatique et télécommunication. Elle a par ailleurs bénéficié du programme Microsoft for Africa qui vise à accompagner des jeunes pour développer leurs compétences. Entretien réalisé par Amadou Sabarba. Merci de choisir la Radio Futur Média pour vous informer. Invité Tech, Seine Boussen, ingénieur de conception en informatique et télécommunication. Bonjour euh, euh, bonjour Monsieur Ba. N'est-ce pas la présentation, c'est comme ça <laughs> Oui, oui, évidemment, c'est Seine Boussen. Euh, euh, je suis ingénieure euh, de conception en informatique et télécommunication, diplômée de l'école polytechnique de Chess. Et en même temps, c'est rare. <laughs> <laughs> Bien sûr. Qui est en face, euh, qui est en face de son roi aujourd'hui. Non, en, face, en face, de, mon, esclave. <laughs> Je vous le concède, puisque vous êtes euh, notre invité de RFM Weekend. Alors, on parle aujourd'hui de, de, digitalisation, des startups. D'où vous est venu cet amour quand même, voilà, d'étudier, par exemple, informatique, tout ça euh, tout d'abord, euh, on peut dire que l'informatique euh, est un domaine en pleine expansion. Et euh, on voit que dans le monde où nous sommes en ce moment, tout est informatisé. Voilà, quand même, bon, euh, ce qui m'a donné euh, envie de faire l'informatique, c'est que je voulais être au cœur des choses qui marchent et participer activement au développement de mon pays à travers l'informatique et disons à la digitalisation des différentes entreprises, etc. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi de le faire. Comment s'est passé votre euh, comment ça s'est passé votre contact avec Microsoft? Oui, euh, bon, comme j'ai eu à le dire, en fait, c'est à travers un stage que euh, j'ai intégré euh, une entreprise de la place, ADN Tech. Et, euh, c'est quoi ADN Tech d'ailleurs ADN Tech, disons que c'est une, une, société de solutions technologiques qui accompagne les différentes entreprises pour, euh, disons, disposer de, différents euh, systèmes qui vont leur permettre, disons, de, digitaliser euh, leurs processus, etc. Ils nous accompagnent aussi dans différents secteurs en mettant en place des, par la mise en place de chatbots, disons, pour, aussi les accompagner dans des dans la partie comptabilité, etc. Ils ont, euh, ADN Corp, ils font beaucoup de choses en ce moment. Et euh, j'ai intégré ADN Corp, euh, ADN, ADN Corp, ADN Tech. Quelle est la différence ADN Corp, ADN Tech bon, C'est presque c'est la, la, même chose, c'est juste que l'entreprise, bon, au début c'était ADN Corp, mais maintenant euh, on dit Tech, mais c'est la même chose. Mm-hmm. Oui, et euh, il se trouve que j'ai intégré la boîte pour mon stage de fin d'études. Et euh, quand je suis venue, il se trouve qu'on m'a donné un sujet qui parlait de CRM, un domaine qui était tout nouveau pour moi. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un CRM Un CRM, disons CRM, ça signifie Customer Relationship Management et en français, ça signifie gestion de la relation client. Voilà, maintenant, euh, ça consiste à mettre en place des systèmes qui vont permettre à l'entreprise, euh, disons une entreprise, de mieux connaître euh, ses clients, d'avoir beaucoup d'informations sur ses différents clients, leurs habitudes, les différentes interactions. Et en exploitant ces données, ils vont pouvoir, disons, mieux, disons, ils vont pouvoir connaître les solutions à proposer à ces entreprises en vue de leur permettre d'avoir euh, une valeur ajoutée, exploiter ces données euh, pour que aussi, ça va aussi leur permettre d'avoir une meilleure approche euh, avec leurs clients, de savoir ce qu'ils veulent, etc. et de leur proposer les solutions adéquates. La formation académique, c'est-à-dire au niveau de l'ESP, mais également aussi le programme. Alors, comment vous faites pour allier les deux ou bien c'est après la formation que vous avez connu Microsoft euh, c'est durant mon stage. Voilà, c'est durant mon stage en fait euh, ADN euh, Tech et en partenariat avec Microsoft. Maintenant, vu que j'avais besoin d'avoir une certaine connaissance sur le CRM, disons que c'était l'occasion euh, c'était l'occasion pour moi, mais aussi euh, une chance qu'ils m'ont qu'ils m'ont qu'ils m'ont donné euh, pour intégrer le programme en, vue d'avoir les connaissances nécessaires, les, différentes bases qui, pourront, qui pourront me permettre de mener à bien mon projet de fin d'études, mais aussi qui pourront permettre d'avoir une certification Microsoft. Et heureusement pour moi, euh, le programme, ça s'est bien passé. J'ai bien aimé aussi. Et, et, et à l'issue euh, euh, du, programme, j'ai pu obtenir ma certification en Dynamics 365 Sales, qui est un produit de Microsoft qui, qui est utilisé pour le CRM. Et vraiment, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé. c'est, de, c'est grâce à l'entreprise que j'ai connu le programme. Donc, vous faites euh, un bilan positif quand même euh, du programme et que vous le recommandez aux étudiants qui sont dans cette sphère. Absolument, absolument. Parce que euh, grâce au programme, déjà, j'ai découvert un nouveau domaine et disons qu'on avait des cours réguliers, il y avait le suivi. À chaque fois, on nous a envoyé des mails pour voir euh, là où nous en sommes, pour voir euh, la progression, etc. Il y a aussi des, professeurs qui étaient très collaboratifs et euh, à chaque fois, ils nous donnaient différents liens, etc. À chaque fois qu'on leur envoyait des mails aussi, ils répondaient. Et bon, je dirais que c'est ce qui m'a le, plus plu lors de mon apprentissage. Et euh, j'ai vu que déjà avoir la certification euh, a apporté beaucoup de valeur ajoutée, euh, disons côté carrière professionnelle, et ça m'a valu, disons, un embauchement au sein d'ADN Corp. Et je dirais que je recommande fortement euh, ce programme aux jeunes, qu'ils soient professionnels ou non, parce que ça ouvre beaucoup de portes. On entend parler, le programme, la formation, c'est en ligne, n'est-ce pas oui, Maintenant, c'est combien de combien d'heures vous travaillez par jour, ou bien par semaine, ou bien par mois Comment ça se passe En fait, euh, le programme, c'était euh, pendant six mois. Et pour ma part, c'était chaque lundi. Chaque lundi de 9h à midi, 3 heures de temps. Voilà, le prof, il vient bon, c'est en, en, ligne. Le profil vient, euh, il nous présente la session, etc. Mais en plus de ça, on travaille avec, on travaillait sur une plateforme et euh, presque chaque semaine, euh, il mettait de nouveaux cours et à chaque fois qu'on valide un cours, il nous donne un badge qui, euh, qui montrent qu'on a validé ce cours-là et ils en mettent d'autres. Un ticket. <laughs> si on peut dire ainsi, mm. c'est ça. Alors, euh, est-ce que, est -ce que ces genres de programmes sont très connus, c'est-à-dire qu'en matière d'information, est-ce que ces genres de programmes sont très connus par les étudiants euh, qui sont dans ce domaine, qui suivent ces genres de filières Bon, je dirais plus ou moins parce que pour ma part, je l'ai découvert en je, l'ai découvert euh, via euh, l'entreprise dans laquelle j'étais en stage. Euh, mais à part ça, sur Internet, je vois souvent qu'il y a, disons, des articles ou bien des trucs du genre qui sont proposés via Internet. Et euh, disons que c'est assez connu. C'est assez connu. Mm-hmm. Bon, moi, je l'ai connu via l'entreprise, mais aussi, je dirais que c'est assez, assez connu. Au, niveau de votre entourage, des camarades de promo, est-ce que vous avez une fois entendu parler de, de, ce, genre de programme Bon, euh, parce que... Euh, au sein de, au sein de l'entreprise, je n'étais pas la seule à bénéficier du programme parce qu'il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Bon, moi, j'étais partie sales, c'est-à-dire euh, les ventes, mais euh, il y avait euh, deux, deux, trois, disons quatre, on était quatre parce qu'il y a un autre qui était parti office l'autre Azure, etc. Mhm. Euh, du coup, on était, on était plusieurs euh, à bénéficier du programme. Peut-être que les autres, ils ne le connaissaient mhm. pas forcément. Mais euh, voilà. En tout cas, merci beaucoup. merci à vous aussi. Je rappelle notre invité tech, c'était Seyna Boussen, elle est ingénieure de conception en informatique et télécommunication. Merci à vous, l'antenne merci beaucoup Amadou Sabar Bassi léegi suñu invité tech Seynabou Sène lay est nekk ingénieur de conception ci wàllu informatique waaye itam télécommunication mu bokk ci euh, ñi nga xamante jot nañ bénéficier ci euh, programme bi ñu euh, Microsoft for Africa L'olé, ngir gunge ndaw yi kon ñu daal di gën a développer seen mën ci numérique Wartangi, waxtaan ak Amadou Sabar E jërë ngeen jëf yi ñuy déglu rajo Futur Média invité teg di dalal Seynabou Sène nekk ingénieur ci wàllum conception lii di informatique ak télécommunication Seynabou ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay. monsieur nga nekk tamit séeréer. déedéet sa buur la. Ah. sa buur buuru Tukulóor. te nangoo ne man maay buur bi daal. non non nangul nekk jaam bi rek. waaw d'accord comme que man maa la soxla ay jabo yow yaa ngi yëngu ci li nga xam ne ne mooy wàllum xarala yi comme ni nga ko waxee informatique conception ak yooyu noonu léegi ma ne yow da nga jàng lépp li nga xam ne ne mooy wàllum conception informatique yooyu noonu lan moo la dugal sax ci jàng moom. Euh, dañu seetlu ni informatique dafa nekk lu nga xam ne euh, soxla nañ ko ci réew yépp te dafa développé wu Euh, léegi man gis naa que ni ak informatique ni mu mel nii euh, que dinañu dina mën a permettre ñun suñu dëkk yi ñu jëm si kanam ak jumtukaay xarala yu bees yi euh, nga xam ne léegi ñëpp ñoom ñooy utiliser seen ay smartphone application yu bari yi ñuy créer loolu donc loolu bokk na si li tax ma ma ma choisir def informatique pour ma gën a xam déjà lan moo nekk si biir ak ma mën a xool ma nan laay mën a def ba disons créer wala ma indi sama sama wàll ci ci avancement wu euh, domaine boobu noonu. yow li nga xam ne mooy Microsoft muy lu siiw sax noo def ba ba jëflanteeg ñoom noo leen xamee. <laughs> waaw euh, bi may waajee jeexal sama jàng dama doon def stage pour pour pour sama mémoire léegi bi ma demee foofu noonu dañ ma joxoon benn benn sujet benn projet bu ma waroon euh, defar léegi nag euh, sujet bi xëy na xawoon na jafe si man lool parce que liñ ma joxoon lu bees la mais comme entreprise bi moom dafa nekk en partenariat ak Microsoft léegi ñoom ci lañ ne pourquoi pas ñu permettre ma ma bénéficier ci programme bi programme bi mu ngi tudd Interns for Africa eh, te li ko tax a jóg moom bu nga xam eh, programme bi Microsoft moom moo ko disons moom moo ko moom moo ko initié te dafay permettre eh, ay ndaw yu mel ni man Euh, ñu mën a bénéficier ci programme bi pour mu indil leen xam-xam pour ñu mën a liggéey ak euh, ak yenn jumtukaay yi léegi man euh, entreprise bi ñoom ñoo ma permettre ma participer ci programme bi te wax dëgg amal na ma njëriñ ci sama liggéey ak sama projet bi ma doon bi ma doon def. projet bi nga doon def ci lan la lan nga doon def. projet bi projet bi ma doon def en fait dafa am benn entreprise bu nga xam ne ñoom presque Excel rek lañ doon utiliser ci seen euh, ci seen entreprise seen données yëpp déjà c'était pas très informatisé maintenant ma projet bi ma doon liggéey moom mooy ñu euh, euh, ñu defaral leen benn système bu nga xam ne à partir benn outil Microsoft bu tudd Dynamics pour ñu mën a gérer seen jënd ak jaay bi ñuy def yëpp. Euh, dina leen may aussi pour ñu mën a gérer seen client yow nga xam yow sa client bi moom mooy kan lan la bëgg et cetera te yow boo sukkandikoo aussi si li mu bëgg ak yooyu noonu di nga mën a xam bu baax lan nga koy proposer sa njaay mi nan nga koy doxalee nan ngay waxee ak moom tout le temps pour euh, pour interagir ak moom pour mu gën a fidèle. di fàttali rek yow yaa ngi jàngee fële ci université polytechnique bu Thiès foofu nga génne li nga xam ne ne mooy formation bi nga wax programme bi bi nga wax ne ne moom nga bénéficié wu euh, nan nga ko doon defee programme bi nan la noo leen doon jàngee. waaw euh, programme bi maa ngi ko doon def instant bu ma doon def stage parce que six mois la durée euh, mais programme bi en ligne la woon léegi altine bu jot. bu juróom-ñeenti waxtu jotee ba midi euh, si lañ doon def cours yi léegi cours yi ay yenn professeur yi nga xam ne Afrique du lañ nekk euh, ñoom ñoo ñu doon jàngal ay professeurs yi nga xam ne dañoo disponible tout temps dinañ ñu laaj yéen fan ngeen tollu est-ce que yéen ngi jàng et cetera te même euh, à part professeurs yi. plateforme am na benn plateforme buñ ñu bu ñu kii waloon mu nga xam ne tout le temps dañuy dugal ay cours te cours yooyu noonu dañu doon gunge bu baax si njàng mi ñuy def te amaloon nañu njëriñ aussi. Hmm. Euh, ba nga defee ba nga defee euh, ba nga subir li nga xam ne mooy programme boobu xanaa génne cooy loxoy neen de am na lu mu la jural de. <laughs> Euh, effectivement bi ma suivre programme bi ba pare après am na yenn examen de certification yu ñuy def. te euh, loolu permettre na ma bu ma jàngee sama sama bi ma suivre programme ba pare ma am sama certificat te euh, mun naa wax ne loolu bokk na ci euh, li tax bu ma paree waa entreprise ma nekkoon ñu jël ma parce que gis nañ que nii programme bi amaloon na ma njëriñ maa ngi doon mën a liggéey si ñoom seen ay projet du coup euh, certification bi quand même dimbali na ma si bu baax pour ma si côté professionnel. Mhm. yow daal gis nga ci sa bopp. waaw gis ci sama bu baax ko pour euh, ñuy euh, inscrire aussi programme yu mel nii ndax dina leen mën a dum dina leen mën a dimbale te aussi dina leen ubbil ay buntu ay buntu yu bari ci seen euh, ci seen carrière professionnelle. justement ci loolu sax laa bëggoon wax ak yow Microsoft ak yeneen xeeti programme yu mel noonu est-ce que tamit siiw na ba nga xam ne ne ndongo yi nga xam ne ñooy jàng ci yu ni mel di xam nañ leen. Oui, waaw mën mën nañ que ni programme bi parce que déjà internet si ay euh, si ay page yu mel page Microsoft yooyu wala di nga gis ay article ñoom ñuy euh, ñuy que mën former Afrique pour ñu ci ay euh, domaine yu bari yu nga instant dafa dina leen permettre aussi ñu mën a am liggéey du coup programme bi euh, xam nañ ko bon man xëy na ci euh, sama entreprise laa ko xamee mais terewul aussi que ni euh, c'est c'est bien médiatisé. Mm-hmm. kon yow daal boo fas yéene ngaa nekk ñi nga ñi nga xam ne ñooy wër di waxtaane boobu le programme pour tey ndaw yi jéem koo subir. ah waaw waaw parce que man euh, comme bi ma suivre programme bi amal na ma njëriñ donc pourquoi pas may ñaax euh, ay ndaw yu mel ni man pour euh, ñu ñu intégrer ay programme yu mel nii parce que njëriñ kese la. Mm-hmm. yow au delà ci entreprise bi ngay liggéey est ce que am nga beneen projet boo xam ne ne ci ci lu ni mel la maanaam lépp li nga xam day tourner ci li nga jàng maanaam nga def genre entrepreneuriat. pour le moment man ci xalat mais instant bi ni man sama objectif mom mo nek euh fuma nek ni ma gën may continuer liguey gëna am expérience euh, et euh, su ma amee ben ben nombre de disons ben expérience bi dina gëna a ci si pour euh, mën a xool disons projet yu yu gën a yu gëna a passé tamit euh créer yenn yenn yenn application wala yoy noonu dinañu dinañu euh, ñun ndaw ñi mais aussi dina dimbale yenn entreprise yu bari fini ci Sénégal donc maa ngi si xalaat. waaw euh, sama jaam bi Seynabou Sène maa ngi lay sant di la gërëm. Euh, maa ngi lay sant yow tamit sama jaam bi. <laughs> RFM invité tech euh, jeex na ñu doon dalal Seynabou Sène nekk ingénieur de conception ci wàllum informatique ak télécommunication jërë ngeen jëf.